Ils sont venus, ils ont commencé par détruire des clôtures, des clôtures, des poulaillers, comme vous avez pu le constater. Et ils ont aussi détruit des, des chambres de gardiens qui assuraient la sécurité des lieux. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'avec la destruction des clôtures, nos champs ne sont plus en sécurité par rapport à la divagation des animaux. Euh, ils ont détruit des poulaillers où euh, il y avait des sujets, des pondeuses. Ici, dans le verger où nous nous trouvons, il y a au moins plus de 5000 pondeuses. Ils ont détruit les murs. Et ce qui est sûr et certain, cette volaille sera attaquée la nuit par des genettes, c'est-à-dire des chasses sauvages. C'est certain. Et le gardien ne peut pas veiller sur ça. Nous avons des délibérations qui nous ont été données par le conseil rural d'une part de, euh, ou de la zone de Fandem. S'ils parlent aujourd'hui, si les militaires disent que cette zone est un titre foncier qui leur a été attribué, ils n'ont qu'à faire sortir ce papier. La, voie de contournement traverse donc euh, ce titre. Le, KM2, KM3, KM1 traverse aussi cette zone. Nous, nous nous trouvons au-delà de cette, de, cette route, c'est-à-dire sur la gauche, vers le nord. Nous nous trouvons sur cette zone-là. Nous, nous avons pris des avocats en la personne de monsieur, de, maître Hassan euh, Diamandiaï, depuis 2016. Mais on ne comprend pas que des militaires puissent accompagner, avec leurs, engins, puissent accompagner l'armée. ils, étaient armés. ils étaient armés. Il y a deux pick-up remplis d'hommes armés. Des militaires, c'est plus d'une centaine de millions. Hmm. Ça, je vous le garantis. Rien que, je ne voudrais pas citer le nom de ce monsieur, qui est une autorité dans ce pays. Le mur d'enceinte qu'on a détruit vaut au moins 40 millions. Rien que le mur. Rien que le mur, je vous dis, rien que le mur. Ils ont même égratigné des arbres dans ce verger. On ne comprend plus. Nous sommes 289 agriculteurs sur 333 hectares. Je vous dis qu'au niveau de chaque verger, au moins on emploie minimum trois personnes, trois jeunes. C'est un minimum. Que ce soit en, saison sèche ou en saison des pluies. Et nous contribuons à, la réduction du chômage des jeunes dans cette zone. Nous faisons de l'arboriculture fruitière, de l'élevage, de l'aviculture, de la pisciculture. Ouais, et de l'arboriculture, de, la culture d'hivernage aussi. Et ce n'est pas la première fois. c'est pas la première fois. Nous sommes ici, nous sommes ici pour certains depuis plus de 30 ans. Moi qui vous parle, je suis là depuis 1994. Et je fais partie des derniers qui sont arrivés ici. Ces militaires qui sont venus ici, ce ne sont que des exécutants. Il faut trouver le véritable responsable. Nous avons une lettre du général de, de l'armée, Abdoulaye Fall, qui avait fait des propositions basées sur un rapport qui avait été effectué par le service régional du cadastre. Maintenant, ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qui se passe. Les attaquer comme d'habitude devant la justice. Il y a une justice ici, au Sénégal. C'est ce que nous pensons. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de de, de la force à des gens qui sont armés. Qu'est-ce qu'ils ont à venir ici dans nos champs avec des armes Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait tomber nos murs. Nous allons les reprendre. Ils n'ont qu'à venir tous les jours, mais nous allons reprendre ces murs-là. Parce qu'on ne peut pas laisser nos volailles, nos sujets dans l'insécurité. Ce n'est pas possible. On ne comprend plus, on comprend plus la, politique de l'État. Nous sommes pour nous appeler nous. Nous sommes avec organisation à la sueur de notre front. Ce que nous faisons, c'est continuer à Au président. le président. Si nous dégué, nous nous appeler. Nous nous appeler. Nous nous ne considère pas cette zone comme étant un titre foncier de l'armée titre foncier état moi comme moi. depuis 1994, je nga fa train de fa pour j'ai des employés je fais un poulailler. j'ai investi des millions pour mettre ce poulailler là en marche des fois un sujet, di jusqu'à présent à un moment donné le Descos de di détruire fële alors j'ai été convoqué à mour Madame, dem ci convocation bi defere fa adjudant ba ma wax ak un certain Balla Ndiaye boo xam ci militaire yi la y a une construction nouvelle dans le verger de Nian ils sont venus nous constater man la nouvelle construction qui est à l'objet de ça du déplacement je vais la détruire dama détruire je me suis mis d'accord avec l'adjudant en chef de Descos. On a fait ils, ont pris, on a eu un procès verbal que j'ai signé. Ils ont pris mes coronets. Et à la grande surprise, aujourd'hui, ils sont venus en train de détruire. Lorsque j'ai saisi l'adjudant de Descos, il m'a dit qu'ils étaient assistants tout simplement. L'origine de cette destruction n'est pas de Descos. L'origine est partie des militaires c'est les militaires qui sont en train de détruire de, la zone 7 de Thiès, qui sont venus détruire la zone comme quoi ça leur appartient. Donc, à Desco, j'avais déposé une délibération faite par la communauté de Fanden et de Kermoussa. Le plan et tout était déposé à Descos. On a trouvé un terrain d'entente comme quoi l'existant ne devait pas être touché. L'existant qui était là depuis 94, on ne devait pas toucher ça. Aujourd'hui, ils s'en sont pris à cet existant-là. Ils l'ont détruit. Euh, euh, parce que le gars, il m'a insulté. il m'a insulté de mère devant mon enfant. On allait l'attaquer, j'ai tempéré mes enfants pour qu'on ne le touche pas, par respect de la tenue qu'il portait. Et puis je lui ai fait savoir que c'est par sa tenue que je n'ai pas réagi su fekkoon du woon tenue bi moom cadavre la ñu génne sama tool parce que man du ma ko permettre maa ko mag fuuf en tant que sénégalais ëpp ma fi droit ba tax mu tag sama biir tool di ma fa saaga ndey waaw je prends à témoin l'adjudant de Descos qui était là il était témoin s'il est véridique il dira qu'il devra confirmer